Euh, je voudrais d'abord rendre grâce euh, au Tout-Puissant Allah euh, de nous avoir permis de procéder à ce vote en remplissant notre devoir citoyen. je pense que les premières impressions sont bonnes, sauf qu'il y a quelques difficultés de démarrage. en ma qualité de plénipotentiaire de l'arrondissement de Tiaro, j'ai pu faire le tour dans certaines communes euh, notamment ici à, à, Mbao, au niveau de Kermbeifal, là où on a un centre de vote euh, de 34 bureaux de vote. Euh, nous avons connu quelques problèmes de démarrage liés à la situation des abris provisoires. Vous connaissez tous avec ce qui s'est passé hier nuit, la pluie, l'orage de manière générale, qui a fait que certains abris n'ont pas pu tenir. Mais je tiens à féliciter les autorités qui ont été très diligents euh, pour remettre la situation euh, à l'endroit afin que les Sénégalais et les citoyens de Mbao puissent voter, les citoyens du département puissent voter. Euh, le constat que j'ai fait, c'est qu'au niveau de Tcharoïgar, à l'école Massaer Diagne, toujours dans le chapitre des abris provisoires, j'ai constaté jusqu'à 11h30, le bureau 11 n'a pas démarré. Euh, les autorités étaient en train de trouver des solutions pour que euh, les, les, élections puissent démarrer dans ce bureau de vote. Également à Djamougan sikambaou à l'école Tiaroy Gare 1B, il y a également quelques difficultés de démarrage, notamment le bureau de vote aussi numéro 11 euh, qui n'a pas démarré à cause de la situation que j'ai décrite tantôt. globalement, tout se passe très bien. Euh, il y a l'affluence un peu partout là où nous sommes passés. Euh, cela montre que les Sénégalais sont déterminés à donner une majorité éclatante euh, à la coalition Benoît pour permettre au président Macky Sall de continuer son mandat. Je voudrais également en profiter pour attirer l'attention de certains responsables qui sont en train de faire de l'intoxication, des déclarations fallacieuses qui consistent à dire qu'il y a des rétentions de carte d'identité. J'ai écouté tout à l'heure le président Moustapha Sisselo qui annonçait que son propre fils n'a pas pu retirer sa carte d'identité. Il ne faut pas qu'on fasse dans l'intoxication. Les cartes d'identité ont été distribuées sans tenir compte de la couleur ou de l'appartenance des uns et des autres. Il faudrait qu'on constate qu'il y a eu des problèmes avec la clairvoyance de son Excellence le Président Macky Sall, qui a demandé au Conseil constitutionnel d'autoriser à ce que ceux-là qui, par la Constitution, ont le devoir et le droit de voter, de pouvoir euh, exécuter euh, leur euh, droit de vote. Maintenant, ce qui s'est passé, j'ai entendu des déclarations qui essaient de semer le doute dans la tête des Sénégalais, mais je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Il s'y ajoute que j'ai entendu ce matin, et ça j'ai je, le note pour le regretter, que le candidat ou euh, un candidat de euh, la coalition gagnante en la personne de euh, le maire Diop, comment il s'appelle Diop, Pape Diop. qui disait que la distribution des cartes a été faite sur la base de la sélection de ceux-là qui sont attributaires ou de, de bourses de sécurité familiale. Et que en parlant de ces bourses de sécurité familiale, il parle de Sarah, qu'il respecte les Sénégalais. Même si lui, il en a suffisamment, il faut quand même qu'il respecte les Sénégalais. Les Sénégalais qui ont bénéficié de ces bourses-là sont aujourd'hui euh, très satisfaits du geste que le président de la République a bien voulu faire à leur endroit. Il ne faut pas quand même qu'on insulte l'intelligence des Sénégalais au point de considérer que ces bourses familiales sont des, des sarah, comme on dit en Wolof. Idriss Diallo peut contester comme il veut. Il va être laminé à Dalifort, il va être laminé dans le département de Pékin. Euh, ils sont en train d'anticiper sur leur cuisante euh, défaite euh, après 18 heures. L'autre élément que je voudrais dire, nous avons pris contact avec les autorités, notamment le sous-préfet, pour que là où on a connu des difficultés de démarrage, pour qu'on puisse prendre des arrêtés à temps opportun pour que ceux-là qui sont venus voter plus voter jusqu'à ce que les, les, jusqu'à ce qu'on épuise, bien sûr, avec le retard qu'on a connu à Mbao, à Tcharoy, à, à pour qu'on puisse euh, combler ce, retard en laissant euh, les citoyens voter paisiblement. Je pense que les, choses se déroulent normalement. Le bon Dieu est intervenu avec sa pluie d'hier. C'est un bon signe c'est un bon signe, et c'est un bon signe pour ceux-là qui croient. Mais les oiseaux de mauvais augure qui pensent que à 18h le Sénégal va, arrêter de fonctionner, ils perdent leur temps. Ils sont en train de perdre leur temps. Ce qui est constant, c'est que les Sénégalais sont sortis majoritairement voter. Et j'ai l'intime conviction, et ça nous l'avons noté durant notre campagne électorale, j'ai l'intime conviction que les Sénégalais feront un vote utile. Ce vote qui va permettre au président de la République d'avoir un euh, comment dirais-je, une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer son mandat. voté naa si jam, ak salam maa ngi sant yàlla bu baax ki nga xamné mom mo ñu may tay ñu téwé pour euh, def li nga xamné mom moy sunu devoir citoyen euh, maa ngi fi ci école publique cité Ndeye Marie ci bureau 3 l'a voté en tant que plénipotentiaire de l'arrondissement de Tiaroy j'ai fait le tour de l'arrondissement certaines communes notamment commune bi nga euh, la commune de Tiaroy la commune de Diamaguène Nous avons constaté avec la pluie d'hier y a des abris provisoires qui ne mënuñu pas tenir et c'est ñu ngi nous autorités yi Nous leen depuis le début de ba ñu essayer ñu rétablir la situation mais il faut constater que qu'à Sikambaou, Sikambao, à l'école Tcharoy Gare 1B, il y a un bureau de vote 11 qui a démarré jusqu'à 11h30 boo demee Thiaroye Gare école Massaïr Diagne euh, également pour des raisons qui sont waxoon sànq mooy euh, taw bi euh, indi na ay un abri provisoire Il faut que tamit le bureau de vote a démarré mais jokkoon nañu ak l'autorité yi ak sous-préfet pour attirer l'attention à ce pour que euh, bu heure tej bureau yi joté su fekkente né euh, sénégalais yi ñu ngi fi ba légui pour ñu mun leen may euh, li nga xamné mom mo moo leen di permettre ñu voter à compte tenu des retards que nous avons accusé un peu partout à cause de la pluie. xam xam ngeen ni ma ngi dégg sànq man sama walu bopp sama waa kër am na ñoo xam ne jotuñu woon seen carte d'identité dégg naa le président Moustapha Cissé Lo di wax doomam ci boppam jotul carte d'identité xam nga bu doon am na sélection ñun mënon nañu bu fekkene amon na sélection ñun mënon nañu sélectionner suñu suñu suñu nit lolu wax ju yàqu la mais c'est un signe bi démontrer ne que perte nañu élection yi dañu bëgg am ay alibi bëgg am fuñu langam mais amul amul mënul mënul nek sénégalais yi kenn xamul woon ci fichier bi ki fa lay voter wala ki fa lay voter lolu yaakar na né c'est un mauvais procès bi nga xamné bëggun nañ ko défar def état bi mais du jall du jall dans la mesure où sénégalais yi ils sont conscients xam nañ né président de la république Limoudef pour permettre à tout le monde que nous voter c'est à saluer nous félicitons et nous remercions le président de la république qui nous a croisez croisé les bras devant la difficulté Il a le conseil constitutionnel conseil constitutionnel nangu mun voter ak récépissé ak pièce d'identification yi buñ dañ ko a avec les euh, les les les les deux mains pour que ñëpp xam président def na lepp lu mu waroon lu mu waroon def maintenant ñom Idrissa Diallo ñom Pape Diop ñi nga xamné déjà ñu ngi annoncé la couleur parce qu'ils ont déjà perdu lolu bu sobe yalla à partir de 18 heures sénégalais yi dinañ constater que la majorité bi nga xamné mom la sénégalais yi pour jox ko la coalition Benno Bokk pour que président de la République continue mandat lolu yaakar na né lolu lañu constater bu sobe yalla buñu ubé buñu tejé bureau de vote yi léegi lima ma moy amna am lo xamne ne dama koy ñaawlu bu fu ñaawlu mun a yem amna ay déclaration yo xamne ne du déclaration kilifa dégg naa sànq job Diop di wax ni dañoo sélectionner ñi nga xamne ne dañ leen jox ay sarax parlant de bourse de sécurité familiale même bu fekkee mom dafa bërile warul considérer lolu comme ay sarax il faut que mu respecter citoyen sénégalais respecter sénégalais yi kilifa dafa am taxaway bu mu war am am kaddu yo xamne ne quelle que soit difficulté yu mu am kaddu yo xamné mu war na ci am bourse de sécurité familiale sélection sénégalais ñoko ont jot té ñi ko yelloo ñoo jot té ñi ko jot ñu koy bénéficier wu bu dafa am ay milliards ba considérer que le président de la république diko ko ñi nga xam ne euh, euh, euh, euh ñi ko ñi ko jot ba mu considérer ko sarax je pense que warna warna ressaisir pour les sénégalais parce que lolu c'est inacceptable venant de la part de quelqu'un qui prétend être un responsable